nigérienne, nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Hey. Ladies and gentlemen, la machine et les humains vous souhaitent la bienvenue sur cette rubrique intitulée L'artiste s'exprime, une rubrique consacrée à l'artiste tout simplement. Cette rubrique se passe comme ça sur l'émission Tous à la Fada, produite par le studio Kalangu de la Fondation Hirondelle. Le Niger et le monde entier est certainement scotché. On parle de l'art dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de la musique. Et eh oui, la musique en principe se joue avec euh, un instrument. Un instrument de musique. Ça peut être du kalangu, du djembé, du gumbe, de la guitare, batterie. Mais aujourd'hui, la règle est exceptionnelle. Nous recevons sur cette émission un homme, pas n'importe lequel. Cet homme incarne l'orchestre en lui. Nous l'appelons l'homme orchestre. Tiaxi! l'ami, si te souhaite la bienvenue bouche. Il n'y a rien dedans. Il a rien Vous avez certainement compris, mesdames et messieurs, pourquoi on l'appelle l'homme orchestre. Il fait tout avec sa bouche, avec aussi sa calebasse. Fiaxi, dit la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission. Merci. Tu n'es plus à présenter, mais les jeunes kiffent cette émission. Les jeunes sont scotchés à travers donc euh, les huit régions du Niger. Les jeunes kiffent aussi cette émission à travers euh, le site du studio Kalangou les samedis et le dimanche à partir de 18h15 minutes et sur les radios partenaires sur l'émission Tout ça la et ses jeunes veulent en savoir plus. Fiaxi. Parlons de Fiaxi. Qui est Fiaxi Alors, Fiaxi est un jeune artiste du Niger. slammer, euh, rappeur, chanteur mhm. et percussionniste, comme ça se voit. Mhm qui a, qui a, défini, qui a commencé à, se consacrer à 100% à sa carrière en 2000, entre 2015 et 2016. 2015-2016, on va revenir avec ça, mm. mais on n'a pas fini avec FIACSI. Ton nom à l'état civil Alors, mon nom à l'état civil, c'est FIAC. FIAC, Oui. D'accord. Fiaxi vient d'où Fiaxi, c'est juste euh, une envie d'avoir de, deux noms, un, un, nom surtout qui vient un peu des localités du Niger, qui le Si, ça vient de la dynastie des ah, Si, dynastie ah, si, ok, donc, ah ouais, bien sûr, donc le Si vient de là-bas. Euh, là-bas, ouais. Donc c'est juste un nom que j'ai euh, adopté, hein. c'est pas, c'est pas toi aussi qui t'es donné le nom ou bien c'est Si, si, si, non, c'est juste moi qui m'ai donné le nom. Ok. Je me suis donné le nom et voilà. Comment est-ce que tu es venu dans la musique alors, euh, je sais pas par quel chemin, mais déjà quand on était enfant, on joue beaucoup avec mon petit frère. Ok. Et tu sais, avant, bon, je sais pas. À la calbasse non, Ou bien avec des concos et ah, tout ça. Voilà, tout ça. Et moi, j'ai fait. Vous avez fait. Des... Vous avez fait tout ça, on a fait. fait ça On a fait ça. Ok, continuons. Et en fait, euh, tu sais, avant, dans les mariages, on invite euh, les, les groupes orchestres. Orchestre, bien sûr. Et on a vu les voilà, Star et tout, ça, chanter. Et en fait, euh, il y a les grands qui invitent les grands artistes et les petits entre eux. Ils, font, ils font le show. Ils font le show <laughs> tu faisais partie des artistes invités par les petits. par les <laughs> petits. et tu jouais quoi ah bon, Moi, je chantais à la base. Je chantais à la base et mon petit frère, il jouait à la batterie. À la batterie fabriquée, par vous-même à la maison. Oui, oui. par des concours et des kissing kissing et tout ça. Je fabriquais aussi des <laughs> petites guitares. On a fabriqué une espèce de micro. Oui. Voilà, donc c'est parti de là. Vous faites, danser les, vous faites danser les petites filles, quoi. Euh, <laughs> tout le monde. sans exception. Mais en miniature, parce que bon, il y a aussi les Mali qui jouent, euh, ou bien les de l'autre côté, et vous aussi dans votre coin. dans notre coin. Vous faites le choix entre. J'ai grandi au, comment dirais-je, au deuxième arrondissement. Deuxième arrondissement. Donc euh, voilà, euh, Mukumbe Star, c'était un peu la même zone. Tout bien sûr, bien sûr. Il y a plein de groupes. Ils vous ils vous ont inspiré. Oui, nous, ont, donné envie de chanter. C'est la musique, euh, la musique globalement nigérienne nous a beaucoup donné envie de chanter parce qu'on est, on est, avant, je pense qu'avant on passait plus de, de, musique nigérienne que, que, maintenant où on a l'impression que la musique un peu internationale a submergé <laughs> Bien sûr. Alors Fiaxi, on t'appelle l'homme orchestre. Je sais pourquoi on t'appelle l'homme orchestre parce que tu as fait tes preuves tout à l'heure. Mais moi, ce que je voudrais savoir, la question qui me qui me hante. c'est quoi Quand est-ce que tu as su que tu as cette possibilité, euh, n'est-ce pas, d'avoir des instruments de musique partant déjà de tes lèvres Quand est-ce que tu as ah. découvert cela Alors, euh, en fait, à la base, moi, quand j'avais commencé professionnellement, c'est-à-dire euh, j'ai tout laissé, tout mes études, tout, tout, tout. Pour, te consacrer à la musique. À ça. Oui. Je voulais un truc euh, original, je voulais vraiment. Authentique. voilà, je voulais qu'on qu dise, voilà, entre mille artistes, voilà, Fiaxi aussi qui est là. Mhm. Et pas forcément pour être le meilleur, mais pour être juste euh, différent. Ouais. Donc j'ai cherché, beaucoup, je suis vraiment, j'étais vraiment dans une quête profonde. Donc j'étais tout le temps en train de chercher et <clears throat> J'avais vu sur internet des gens qui arrivent à faire ça. Ok. Donc euh, j'ai mis plus de trois ans à vouloir faire ça. j'essayais, j'essayais, j'essayais, j'essayais, j'essayais, j'essayais un jour, euh, c'est parti de là. Et en même temps, avec la calebasse, j'ai toujours, même, quand je fais ça souvent, je me rappelle qu'un jour, j'étais là assis. Je disais, waouh, mais imagine, Fiacre, tu joues la calebasse et tu fais ce truc avec ta bouche, ça va être trop, trop, euh, trop bien. Du coup, j'ai persévéré, persévéré. Et un jour, paf, c'est. c'est parti comme ça. Mais dis-moi, est-ce que ça t'a amené loin est-ce que tu as quand même, un euh, espoir euh, exploré le monde musicalement parlant avec euh, ta bouche, avec l'orchestre que tu, as en toi Ouais. Ça t'a permis de voir d'autres univers Oui, oui, oui, hein, je, pense que bon, j'ai vraiment eu beaucoup, de, beaucoup de portes. <laughs> Donc euh, j'ai eu à voyager énormément. Bon, je sais pas si c'est énormément, mais j'ai eu quand même à voyager. J'étais à Bamako. Tu as fait le tour du monde dans ta façon Bon, à ma façon, ouais. J'étais à <laughs> Bamako où j'ai joué sur un festival, sur le même. Il y avait Yamadou et Mariam qui ont joué. Donc pour moi, c'est une bonne, euh, une belle fierté. J'ai joué à, Paris, euh, au pied de la Tour Eiffel. Ouais, j'ai vu ton show là-bas. Hein. J'ai joué à Luna qui est... Oui, au Festival Ouassan Africa, ah, la 14e édition, on était ensemble. Euh, Hey, eh, nous allons même vivre un tout petit peu ta scène sur cette émission. C'est important parce qu'il faut dire que tu as représenté vaillamment le Niger. Hein. De l'autre côté, on fera une mention spéciale à Lawana Boubaka, promoteur de ce festival. Et Nicolas aussi. Bien sûr, toute la clica, toute la clica, Stéphanie, euh, tout le monde, la euh, famille. on vous salue. Alors, Fiaxi, nous sommes en principe à la fin de la première partie de cette émission, le premier angle qui donc doit parler de toi, de ton mm. parcours, du combat que tu as mené. On va dans un deuxième angle parler bien évidemment de ton contenu. Un album en cours, un album déjà disponible, les vidéos disponibles, les liens YouTube et tout ce qui va avec. Hmm. Donc à l'instant T, c'était la première version. Tu as un mot de fin, quelque chose à ajouter en ce qui te concerne, en ce qui concerne ton parcours, quelque chose qui m'a échappé Alors, la, par rapport à mon parcours, euh, tout ça, moi, là, quand j'avais commencé, en fait, j'avais un objectif à atteindre, c'était celui de de pouvoir convaincre le public en étant en live sans projet pour son projet numérique uh-huh. et vraiment je suis content parce que j'ai eu à réaliser ce rêve avec mon concert le 7 décembre rêvé. qui a été un guichet fermé bien sûr et c'est pour moi c'est pour moi c'est la première au Niger qu'un artiste a fait un concert avec un spectacle musical musical sans projet numérique tout ça pour moi c'est c'est énorme c'est original énorme énorme énorme énorme tout euh, simplement voilà je je tiens à souligner ça parce que c'est un peu important aussi pour, euh, très ma carrière. Pour la carrière, <laughs> pour le parcours du combat, C'est un combat énorme et qui a fini par payer. C'était donc le premier angle, les 10 ans de Gentleman. On se prend donc demain à partir de 17h45 sur les radios partenaires du studio Kalangu. Même heure, même fréquence pour parler de la carrière de l'artiste, pour parler de ses projets musicaux. C'était dans, Di la, ma, chine et fiaxi. Hey. Aïe.